<laughs> donc nous, Bousso nous, wa nous, envoyé document pour nous, ko ni nous, di communiquer ngi nous, mais kat salles bi ci pomme nous, le 8 mars donc nous nous nous, ne nous, nous, reporté nous, site internet nous nous parce que ça nous, nous, tournée au niveau

waaye am na salle ba ci 8 mars euh, te ñoom dañ jàppoon dañ ko waroon reporter nee na nag jour boobu la gëj déggante ak Titi parce que daf ko euh, waxoon ni ko Titi dama bëggoon ñu toogaat waxtaanaat nee na boobu la gëj dégg Titi ba mu gis publicité yi muy jàll ci télévision comme sénégalais yépp nee na am na deux yi nga xamante ne nii playback yu Titi waroon def nee Titi mu mu mu ne mu ne dafa feebar. nee na à sa grande surprise mu gis ko ci face à face Modou bi ak Eumeu Sène bi don dial 2STV euh nee dal mom liko ci en fait liko ci jaxal moom mooy de manière vraiment entre nit ak nit. nee Titi ñu ñoo ko njëkk produire muy mom ak ay décembre nee sax ku melni euh Pape Diouf jaaroon na lim sa jamono waaye nee Titi. premier album ba tey ñoom lu ñu am seen i moyen mu tuutee lu mu munti day dañ koy partagé ak seen i artistes di dañuy dem ba jeex ci seen artiste kon nee nañ tey bu fekkoon ne problème am na wala réeroo am na mënoon na demee neneen ma mais pas nii nee na nii dafa ñaaw ci diggante nit ak nit rek nee na lii dafa ñaaw voilà comme nag téléphone laa ko jotoon mhm. euh, ma oowaat ko ni ko dama bëggoon vraiment ñu jël la enregistré la mu ne affaire c'est pas vraiment important beaucoup de polémique il y a polémique. de mhm. polémiques. si la si la polémiques. Il a version. de polémiques. Euh, version y xamné collègue nañ ko. mi mhm. ci et tout. pour dire que polémiques. li préciser won nañ ko suñu émission passée a mhm. bi sabotage bi nga xamné polémiques. wax commencé am ci anniversaire bi nga a titi la pour le 8 mars. mais man version bi ma am tam nek ci net bi et tout Keysi mhm. euh, Bousso ci bopam mom la gars dem contacter mom mhm. mo nek directeur grand théâtre mom mhm. néna il a été surpris mu gis affiche anniversaire au Titi le 8 mars ci mbedd mi parce que gis na gis na affiche mais wa Prince Art def ñu ben démarche pour am salle bi légui noonu mu tok gis affiche gis publicité bi commencé daw moi, personnellement il a pris son téléphone mouo mhm. Titi mais ko dama gis lu ma mhm. parce que dama gis say affiche ci mbedd mi gis say publicité qui télé pour le 8 mars et kenn ci du prince aar du yow Grand Théâtre mhm. pour def démarche pour salle Titi mu d'ailleurs néanmoins Titi elle était surprise mu dégg il waaw la Titi ñëwee def d'ar dar ñëw Grand Théâtre à son bureau ñu toog wartan Titi indaale cash avance bi d'accord jox. pour le 8 mars parce que nee na amoon na sax événement et tout mais ak Titi ni mu négociation bi et tout mu cédé ko la salle pour le 8 mars. légui Titi problème bi mooy. ben source bu proche ñom ngone mom mo wax ñom ngone ne ko Titi elle n'a pas voulu pour mom mu informer leen ne. décroché na salle bi. elle n'a pas elle n'a pas voulu ébruter qui euh, kii boobu noonu ñu def signature bobu mu def. d'ailleurs moy lool non nga wax.

mën a am ci diggante ñaari nit ñu liggéey mhm. ñoom ils ont préféré prendre une mesure moy mhm. virer Titi c'est ça ci presse est-ce que est-ce que waa Prince Art ñoko ko viré comme je l'ai je l'ai lu ci Seneweb mhm. est-ce que ñom ñoko ko dañ dakh Titi ne duñu ci ak yow wala ndax Titi moom mo bàyyi en tout cas ñom ñoo jël décision wala Titi moo njëkk décision décision Prince Art que moom moom viré euh, Titi. moom moo nekkoon li nga ah, xam ne moom la ñëpp wax parce que Titi moom elle a préféré travailler en douce en écartant en presse art te yaakaar naa nit ki écarté ki nga xam ne moom la daan produire et tout ce mhm. album say sorti sa lépp moo ko doon def nga écarté ko mhm. informé woo ko ci say fait et ses ak say geste mhm. di lijjanti sa bopp ci ci suuf jël say communication yóbbu ko ci feneen xam nga di def say affiche feneen kon yaakaar naa ñooñu. Mhm. ko tu n'es pas prête pour continuer à travailler ak ñoom waaw xam tamit dañoo xam seen bopp ñu njëkk a jël devant bi. ne ñoom ils ont viré Titi euh, ci Prince Art. Euh, te ba pare benn remarque boo xam ne instant bi dañoo gis ne waa Prince Art. Mhm. wax ko rek parce que c'est une analyse boo xam en tant que journaliste dañ ko def. Mhm. instant bi Prince Art bu ñuy wax. Aïda Samb lañ dese ak Pape Diouf. surtout mhm. Pape Diouf comme grand talent. yaa ma ko doon wax yaa ngi doon souligner ana waaw voilà parce que tamit. Euh, parce que tamit Titi album bi dañ ko génne album bi def. def buzz vraiment loolu il faut euh, l'accepter. album bi dafa def buzz. macha allah tamit bu ñuy fàttaliku Titi togon na fi ben temps bo xam ne. Mhm. feeñatul woon. Mhm. carrément dafa demone guiné nek fa. bo mom ci ay wayam day remercier Youssou Ndour. di sante c'est diko ko dekk njukkal voilà ci ay débém ak le fait que Youssou Ndour fek ko indi wat ko fi Prince Arts nek ci ay

bégué, mhm. grand théâtre moom moo ko mhm. njëkk a machallah, macha allah moom fees macha allah. tax ba ñeneen ñi ñime. Mhm. mais gis nañ grand bégué, bu mujj bii nii ci 14 bii nii gisoon nañ problème mu avance. Mm, voilà, mooy li voilà. am indi woon na def polémique Ngoné Ndour yéeg sur le euh, sur sur la scène. wax expliqué nañ pour affaire reliquat et tout. waaw xam nga. ay kii

Prince aussi loolu nit ñi aussi yàgg nañ ko wax. Euh, dañoo lancé aussi carrière yu bari. voilà té ñom nak buñ lay marketing mom dañ lay marketing moom. macha allah voilà kon nak xana ñu xol rek sétane la suite des choses ba xam nan lay continuer en tout cas daal li ñu affirmer. ci daal nee na mom légui mom carrière am da ko jël en main. voilà waaw divorcé nañ même voilà ñu xamna réponse am bu jaar tay ji 13h.

bon moi je pense que clash bi vraiment c'est Prince Art Actiti Titi ñaar yépp dañuy perdre parce que trois ans de travail avec le Prince Art actiti le Prince Art c'est vraiment euh, bo xamné ne jékki un jour rek clash am c'est une perte des deux côtés de la part de Titi et du Prince Art parce que liggéey bu ñu def si quelqu'un va reprendre ce travail là et rentabiliser au profit de Titi vraiment Prince Art mooy perdre quoi encore euh, d'un côté Titi tamit bu dem elle va regretter pourquoi il a quitté le Prince Art parce que le travail qu'elle a abattu là où elle en est avec toute la promotion autour de cet album La Lyon, qui marche actuellement vraiment Titi bu dem ce sera une perte pour elle. man en tant que acteur culturel même bu dee yàgguñu si milieu mais yàgg nañoo suivre ay Prince Art ay Titi affaire pour def ak ans je pense que rupture amé dina am problème euh, dina dina a tamit ñu surtout nous les acteurs culturels nga xamné dina suivre Prince Art ak Titi collaboration dafa yag kon bëgg am rupture non divorce te mais ben lañ pour le moment parti Ngone ba légui ñom dans la presse ba Titi parce qu'on a essayé d'entrer en contact avec Titi mais malheureusement Euh, dugg jotaguñ ko léegi nag xamuñu moom lan mooy version quelles sont ses motivation est-ce que problème de date rek war na tax Titi ak Prince Art divorce war a mën a am à mon avis pour man amul sens quoi peut-être am na leneen lu si am na am na am na am na ay préalable quoi yoo xam ne am na lu ko jiitu lii doog a ñëw léegi nag il faut que ñoom ñoom tamit nga xam ne ñoom ñoo nekk si milieu bi ku ci mel ni Prince Art joxe na avem mais ku si journaliste ce qui se ce qui se passe quoi c'est pas pour nous mais c'est pour les lecteurs pour les auditeurs pour les téléspectateurs. Personnellement, j'avoue que c'est un peu dommage quand même euh, cette situation entre Prince Art et Titi. Euh, j'aurais souhaité pour ma part en tant que journaliste et acteur de de la vie culturelle, observateur de la vie culturelle, euh, ne pas voir tous les jours ces genres euh, de séparation. Euh, on sait très bien que Titi a eu à travailler avec Prince A pendant dix bonnes années. Donc ce n'est pas toujours bien de voir qu'une bonne collaboration, qu'une bonne entente puisse se terminer de la sorte et surtout que ça se passe euh, à partir de rien du tout, que cette séparation se fasse à partir d'une histoire banale. J'ai appelé aussi euh, un agent de des médias. Euh, Titi Tagoulen, puisqu'elle voulait maintenir la date du 8 euh, mars, jour anniversaire, grand théâtre mënoon nañu waxtaan comme elle le dit le linge le linge sale se lave en famille lool la wax néna mom titi Titi euh, elle considérait Titi c'est-à-dire la belle princesse considérait Titi comme une comme comme comme une fille de la maison c'est-à-dire ku bok ci kër gi quoi mais Titi war won on ni rek un jour jékki-jékki du jour au lendemain qu'elle veut qu'elle qu'elle veuille aller pour faire son anniversaire à leur insu waron nañ wax ci date ça n'allait pas créer de problème quoi d'après nous, on lu mu wax mooy directrice Prince Art moom laa nekk di cité son article mon moo quoi. pour moi, au fond du problème il faut que nous tuuti mu wax ñu qu'est-ce qui se passe réellement parce que bu de buzz nous du waxee ni moo waxee je pense pas que c'est un problème de buzz. Hmm. Euh, parce que euh, d'après ce qu'on aurait appris de manière générale, cela est dû principalement à la date du 8 mars qui pose problème euh, entre Titi et Prince Art. Euh, des concessions pouvaient se faire des deux côtés. Ces concessions n'ont pas été faites et c'est ce qui a amené cette situation que euh, je déplore. Alors, j'ai appelé aussi des médias. Des médias, bon, Titi, di di di moo pour ñu def sen ki bi sen sen promotion autour de l'événement ñom lool la ñuy def ils ont ils ont plein droit c'est la concurrence qui est comme ça Titi est parti pour les rencontrer Titi mu ne man dama bëgg def sama événement bi maintenant voilà je suis là si si si je maintiens les propos que le gars m'a rapporté lool la bind ci article bi waxu ci dara waxam ne nee na nee na Titi moo ñëw rencontre leen mu ah, comme ñun li lañuy liggé liggéey d'ailleurs il s'est glorifié parce qu'ils sont les meilleurs dans la promotion de l'événement actuellement au Sénégal. Quoi. les moi, je suppose que c'est parce qu'il y a la concurrence entre les deux groupes, c'est-à-dire euh, d'accord des médias et groupe Futur médias que ça s'est passé comme ça. Quoi. Donc, c'est moi pour moi, Titi c'est la coupable et la victime aussi. dina favorable à Titi parce que dina permet wax Titi le 8 mars parce que si ah, Titi a problème lan le 8 mars le prend sur l'angle de le, le prend sur l'angle qui, euh, l'angle du buzz mais pour moi, bu de buzz la Titi a arrangé. Titi elle est restée injoignable j'ai appris qu'elle a écrit sur sa page Facebook qu'elle est en pleine répétition jusqu'à 3 heures du matin elle est restée injoignable nous on n'a pas ses contacts et je sais que mon sinon le doute va persister même au delà de la date du 8 mars comment elle va se débrouiller pour organiser cet anniversaire mais je sais que c'est vraiment très attendu peut-être moi je me suis dit encore les mën manipulation quoi pour presse parce que ça ça peut être un compromis entre le label Prince Art et la promotion autour de l'événement parce que ce n'est pas d'accord qui fait la promotion c'est le groupe des médias donc dañuy wax les titi demal fale ñu waxtaan ça c'est ça c'est mon opinion hein. titres de demal fale nga décrocher les gars là comme ça presse bi gën a wax ci événement bi le 8 mars ça s'est passé avec euh, comme ça euh, comment dire, Viviane bon les gens ont tapé parce que Viviane voulait faire un, anniversaire gars yi wax mais finalement le regard était porté sur la date de l'anniversaire comprendre man bon je ne l'ai pas évoqué dans le papier mais ça nous savons que ko c'est la manipulation c'est la communication politique les politiciens savent comment manipuler pour avoir les chances quoi pour gars porter une attention ci événement bon du grand théâtre personnellement moi je n'ai pas contacté Kessi. je me suis limité aux propos de de pour ma je vais prendre sa réaction parce que je sais qu'il a envie lui aussi d'éclaircir Kessi, il ne fait que son travail infrastructure bon, xamné day accueillir événement Mom il ne cherche que des gens qui l'organisent ñu fay il doit rentabiliser une infrastructure ne lay mom il ne cherche pas qui qui il est de tel lieu il est de l'autre de d'un côté de l'autre côté ou bien kuy produire ku koy fay rek parce que l'a vie avec Pablo Ngoné est venu ñu bloquer ko parce que les gars n'avaient pas payé selon selon ici parce que titi bo xamé ni titi mën na ko fay moom il n'a il n'a rien à cirer quoi da koy jël mu dégg ba bo xamné 3h trois heures quatre heures yi mën si il n'a besoin que de son argent loolu kese la oui. pour man dal si félé gëna gën côté côté Prince Art ah, mais tamit na si sa indi xelam parce que comme ni nga waxé ñu bëri ñu gën ci Prince Art gis nañ né demuñu xamuñ nak lutax parce que si menté ne Abdouras gisoon nañ né label bi moko ko produit biir wax nga ko léegi Ami Collé ak ñeneen mais bi ñu pour ñu décoller c'est tout un tas de problèmes pour ñu décoller Les du coup itam bu fekk dafa na jël lool tamit il faut moom tam mu gëm bo am parce que affaire bi question de label la parce que Tite bu amé label bu baax bu ko mëna soutenir. soutenir bën ko ki kon dina dem parce que mën na quoi macha allah ni ko nit ñi di waxé. on voit Prince Art qui dit clairement je ne veux plus de Titi je ne veux plus travailler avec Titi et Titi qui se tait, qui ne dit rien et qui attend euh, de voir la situation avant de, réagir. Un jour ou l'autre, elle dira, écoute, c'est eux qui ont dit, je ne veux plus de, je ne veux plus de, toi, et tu peux partir. Et donc, c'est finalement Princesse euh, Prince A qui aurait perdu quelque part parce que, ayant vite pris une décision qu'elle aurait dû patienter pour voir ce que l'artiste allait faire. Est-ce qu'elle va jouer le 8 Comment elle va s'y prendre Est-ce qu'elle va revenir Trouver un terrain d'entente, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est encore une fois dommage pour la culture, dommage pour nos hommes de culture. Ce qu'on aurait aimé voir, c'est toujours de belles choses et non c'est vilaines choses qui se passent dans le milieu de la culture.